rëccu bi moy euh, dañu teel encaisser encaissé but parce que c'était un euh, match ñu joué parce que problème finition lu ñu am ah euh, sur le plan du jeu mi ngi fi jot nañ par attaque placée ak attaque yu gaaw contre mais toujours c'était la finition bi moy dess comme on dit hein, mun nañ wax que domination stérile parce que quand même euh, à la fin il faut demander quand même on gagne le match bi bon nous avons dañu telle occasion de but bon disons ça, peut-être une occasion de but ce erreur de marquage là ni centre côté opposé wadi a a une bonne réaction au défenseur bi euh, wadi jot contrôler dóor croiser bal bi Balbi bi mais bon c'était deuxième mi-temps bi nous ñu joué presque cinq ans ah, donc euh, loolu c'était depuis début euh, début championnat deux victoires sur euh, sur dix matchs c'est quand même un peu faible. Nous un premier temps deuxième temps nous avons joue contre le vent on avait deux contre trois points crois que suñu jàppaatee nii benn match gañ ko à Thiès deux à Thiès je crois que dinañ dina mën yek am maintien bi wala ñu yëg D1 ça dépend si match Thiès rek quoi si on gagne match à Thiès équipe bi dina avancer suñu gagné dem samp suni quoi suñu gagné out un point suñu ñëwee fi ñu gagné je crois que bi gagné à Thiès mooy loolu objectif quoi.